Merci, euh, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, euh, Monsieur le Président, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise suite à l'accident qui, qui a eu lieu ce matin, mais aussi à la ville de Mbour et tout le peuple sénégalais pour les jeunes qui sont encore, euh, qui, qui, sont décédés, mais 100 jeunes qui sont disparus, qui ont disparu dans la mer. Et je pense que faut le nuit les autorités, mais dans Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous allons voter ce projet de loi. Cela montre que nous sommes républicains et que c'est une, une réponse par rapport à ce projet de loi de révision constitutionnelle qu'on a rejeté, qui était un traquenard politique. Et je pense que ça, tout le monde l'a dit. Maintenant, Monsieur le ministre, je voudrais partager avec l'opinion nationale et internationale les paroles des avocats républicains qui ont fait un communiqué, je cite, « Dans un certain temps, nous notons avec beaucoup de regret une régression des droits humains et de la liberté d'expression au Sénégal. Les arrestations arbitraires se multiplient les libertés individuelles sont violées. La libre expression garantie par la Constitution et les lois est gravement menacée. En sus des tentatives de bâillonnement de la presse privée, indépendante et libre, nous assistons à des reconductions depuis l'aéroport d'honnêtes citoyens dont le seul tort est d'appartenir à l'ancien régime. Monsieur le ministre, je voudrais que vous nous dites quelle est la décision de justice qui a interdit ces gens de quitter ce territoire. Nous disons qu'il faut la réédition de comptes, c'est vrai. Nous disons qu'il faut que les gens rendent compte, c'est vrai. Mais on ne peut pas que d'honnêtes citoyens aillent pour voyager, qu'on les retienne alors qu'il n'y a pas une décision de justice. Le ministre Abdoulaye Sow, qui est vice-président de la Fédération sénégalaise de football, qui est maire de Kafrine, légalement domicilié, qui n'a reçu ni rapport de l'IGF, ni rapport de l'OFNAC, ni rapport de la Cour des comptes se voient interdire de voyager avec l'équipe nationale alors que depuis 25 ans, 30 ans, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir donné ses services à ce football sénégalais. Je pense que, monsieur le ministre, aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays est dangereux. Nous sommes en train d'assister à une dictature rampante qui, qui ne dit pas son nom et que le Premier ministre qui est qui n'est ni juge, ni procureur, ni ministre de la Justice, ah, c'est lui-même qui a fait une conférence de presse pour dire que demain, on va faire vers des poursuites et c'est pour ça qu'on arrête les gens. Je voudrais, monsieur le ministre, que vous nous dites quelle est la décision de, cette, de, justice qui justifie ça. Je voudrais qu'on nous dise que à chaque fois, qu'on, vous savez, je ne réponds pas au coup de pied de l'âne, mes chers amis. En tout cas, ce que je voudrais dire est que nous disons la réédition des comptes, oui, monsieur le ministre, mais une chasse aux sorcières ne saurait être acceptée. Et si les gens pensent, si les gens pensent qu'on va vers des dem ci élections législatives élection législative nous ne élection législative voilà len japp nit ñi pour tital len pour jëm len toroxal je vous dirai kenn mënu la ragal judo fi et que dama dégg souvent nga nan way dissolution nangam dangam fi xalé yi fi gëna a def nyari ñaari mandat yeen defagu len ñaari at liste suppléant mo len fi indi ngeen yaakar ne ngelaw li fi lay len bay yeen seen ñëwaat worul di donc je pense que il faudrait Ousmane Gueye wax noko sank ngelaw yi yobbu ñi du fi baye ñi ta xalé yi def na ku def ñetti mandat ku def ñetti mandat mën nga wax ne di nga dem noppalu tranquillement mais ko xam sa ñaar sa ñaar matagul ginnaaw suba la sa ñaar di mat ngay wax wax d'une solution yéen yeureum na len kat je vous remercie. merci chers collègues. Monsieur le ministre de la Justice, garde des eaux, vous avez la parole.